Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangu qui sont relayés par nos 47 radios partenaires dans l'ensemble du pays. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangu, notre site internet www.studiokalangu.org. Le thème du forum de ce soir porte sur les infections vaginales, quelles prises en charge et mesures préventives. Le vagin est l'organe le plus important dans le fonctionnement de l'appareil génital féminin. C'est aussi le point focal des problèmes gynécologiques, urinaires et sexuels. Beaucoup de femmes souffrent de ces problèmes, notamment l'infection vaginale. Elle peut être causée par une perturbation de l'équilibre du milieu vaginal, provoquant ainsi des démangeaisons internes et au niveau de la vulve, des sécrétions anormales et des modifications de la peau autour du vagin. Les infections vaginales représentent aujourd'hui l'une des causes les plus fréquentes des consultations des femmes dans les centres de santé. Certaines font l'automédication et d'autres utilisent même la médecine traditionnelle pour se soigner. C'est donc pour comprendre les infections vaginales, les causes, le mode de transmission, le traitement et les moyens préventifs que nous avons initié ce forum pour échanger autour du sujet. Nous sommes dans ce studio avec Iné-Pierre Mourad, gynécologue obstétricien. Bonsoir Iné-Pierre Mourad. Oui, bonsoir madame. El Haj Abdoulaye Sanda de Banitouri. Bonsoir El Haj Abdoulaye Sanda. et Abdoulaye Idani Kadietou, présidente de l'Association des femmes pour la santé de la reproduction. Bonsoir Kadietou. Oui, bonsoir. À la présentation, je suis Fatih Zakari. Je commence donc par euh, Dr Iné Pierre, gynécologue obstétricien. Qu'est-ce qu'une infection vaginale Merci. Donc bonjour. Pour la définir, on parle d'infection vaginale. C'est une colonisation du vagin par des germes pathogènes. Vous comprenez Donc c'est une colonisation du vagin par ces germes pathogènes. C'est ça, en ce temps, qu'on parle d'infection vaginale, donc chez la femme. Mm-hmm. Alors, euh, quelles sont les causes euh, et les différentes formes d'infection vaginale que l'on rencontre ici au Niger Exactement, merci. D'abord, les types, mm-hmm. ça rejoint la définition. Vous-même, dans votre euh, introduction, vous avez parlé d'une réorganisation de l'équilibre de la flore vaginale locale. En réalité, pour revenir un peu en arrière, le vagin, c'est un milieu qui a sa propre flore bactérienne. Il y a notamment un bacille, ce qu'on appelle le bacille de Doderlein. Ce sont antigriffes des bactéries qui vivent là-bas. Mhm. Et ils sont censés transformer ce milieu-là en milieu acide afin que d'autres germes pathogènes ne puisse pas s'implanter dans cet endroit. Vous comprenez Donc, une fois que cette flore vaginale a été, par exemple, pour des raisons X Y que l'on va voir, cet équilibre a été modifié, vous comprenez Donc ça fait que l'endroit est susceptible de contenir maintenant plein d'infections. D'autres gens peuvent venir coloniser cet endroit afin de s'y développer. Maintenant, le mode de contamination, on en distingue essentiellement deux types. Mhm. Vous comprenez Parce que ça découle des germes. J'ai dit pathogène tout à l'heure, j'ai parlé de flore de Doderlein. Maintenant, après, il y a ce qu'on appelle les germes spécifiques à des maladies propres, mhm. celles qu'on classe parmi les IST, et il y a des germes non spécifiques. Pour venir dans le groupe des non spécifiques, c'est plus ça qui dérange les jeunes filles. Ça, c'est le classique des infections à staphylocoque, streptocoque, ainsi de suite, et un peu certaines entérobactéries. Donc ça, ce sont des germes courants, ce qu'on a la majorité dans nos doigts, nos mains. Et maintenant, les germes spécifiques, quand on parle d'IST, infection sexuellement transmissible, le mode de contamination n'est que sexuel. Donc c'est là-bas on parle du chlamydier trachomatis, notamment dans le cadre de la syphilis aussi le tréponème pâle, mhm. la gonocoxie, le Neisseria gonorrhée, ainsi de suite. Mhm. Donc là, c'est vraiment des infections, comme leur nom l'indique, sexuellement transmissibles. Ce pas des infections que tu vas aller ramasser dans des toilettes ou mhm. autres. Voilà, Alors, euh, quelles sont les formes d'infection que les femmes rencontrent ici euh, au Niger Voilà. Bon, les formes, c'est essentiellement les infections génitales euh, toujours dans l'explication, c'est essentiellement les infections génitales basses. Mhm. Pour revenir à qu'est-ce qu'on entend par infection génitale basse, mhm. vous savez, il y a une phrase que vous avez dit toujours dans votre introduction, que le vagin est le point focal. Et c'est effectivement vrai. Mhm. Tout découle du vagin. Vous comprenez L'infection, le point de, départ en général, c'est le vagin. Si rien n'est fait, c'est les infections génitales basses et c'est le stade là où la femme doit venir se faire consulter. C'est quoi Il se développe, ça touche les parois du vagin, ça produit des pertes blanches et même les microbes là sont détruits. Ils font, ils se mélangent pour sortir et faire la perte blanche là que les gens voient, c'est ça les leucorrhées. Ou bien maintenant quand ça sort, entre deux toilettes, ça reste sur les dessus, sur les grandes lèvres aussi les gens vont coloniser l'endroit et c'est ça qui, à long terme, va faire gratter, c'est-à-dire le prurit aux patientes. Mhm. Vous comprenez Mais sinon, c'est toujours le point de départ, c'est le vagin. C'est ça, on parle de l'infection génitale basse. Mhm. C'est ça qui touche fréquemment ici les femmes mhm. au Niger. Parce que après, c'est une question de voie ascendante. Les germes là vont migrer pour aller au niveau du col, la cavité utérine et malheureusement, les trompes, ça fait partie des conséquences. voilà, d'une simple infection, ça peut te bouffer les trompes, excusez-moi du terme, mm-hmm. et après l'infertilité, ainsi de suite. Mm-hmm. Merci. Abdoulaye Idani Kadiatou, présidente de l'Association des jeunes filles pour la santé de la reproduction. Comme annoncé en amont dans ce forum, beaucoup de femmes souffrent des infections vaginales. Alors, euh, comment se présente la situation épidémiologique de ces infections Ok, merci. Et comme euh, le docteur a déjà eu à lui dire, aujourd'hui, disons qu'au Niger, de plus en plus, ça devient, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur, qui dérange beaucoup, énormément les femmes au Niger. Et c'est pour ça, nous, à notre niveau, nous ne pouvons qu'intervenir au niveau de la prévention, mhm. mais aussi essayer d'orienter les femmes en cas de manifestation de symptômes et quand elles se sentent pas, mhm. de ne pas négliger, d'aller vraiment d'aller vraiment vers les centres de santé, les spécialistes, parce que c'est comme il a eu à l'expliquer, ça peut s'aggraver mhm. et ça a des conséquences très graves. C'est pour ça aujourd'hui, puisque nous sommes dans le domaine, qui est un peu plus globale, mhm. mais quand même, c'est une question qui dérange beaucoup les femmes, surtout les jeunes filles, en milieu scolaire, par mhm. exemple. C'est comme il a eu à l'expliquer, parce que nous savons qu'il y a l'hygiène qui manque dans nos établissements, les toilettes que nous utilisons. Et en tant que jeune fille, en tant que femme, on est plus exposé à ces infections-là, dans les toilettes surtout, mhm. quand il n'y a pas d'hygiène. Donc c'est pour ça, nous accentuons nos sensibilisations à ces jeunes-là, mhm. ces jeunes filles-là, dès que nous avons l'occasion, que ce soit à travers les médias sociaux, que ce soit à travers les médias traditionnels, que ça soit en présentiel, parce qu'à des moments, nous partons dans les établissements. Nous essayons de vraiment d'attirer l'attention des femmes pour l'hygiène, l'hygiène corporelle et l'hygiène à tous les niveaux, de faire très attention en elles, parce que les infections, c'est vraiment des maladies qu'il ne faut pas négliger, surtout pour la femme. C'est une situation, disons, à alarmante et inquiétante, mhm. mais qui, je me dis qu'ensemble, avec des sensibilisations, en multipliant les efforts, on pourra vraiment réussir à renverser la tendance. El Haji Abdullah Sanda, de Banitouri. Alors, euh, comment est-ce que vous voyez la situation épidémiologique euh, de ces infections vaginales Merci, madame. Et nous, à notre côté, tant que la femme arrive ou vient, quelqu'un qui a ces problèmes-là, on exige à ceux qu'il amène les, les examens, les examens médicaux. Mhm. Parce que parmi nous, il y a ceux qui sont instruits vraiment dans ça. Et quand on voit le stade de la maladie, on sait combien de temps qu'il faut pour soigner la personne. Et on le suit jusqu'à ce que la maladie finisse. Mhm. Et dans le cas que la personne a eu la chance, elle est tombée enceinte, on la suit jusqu'à l'accouchement. Parce que quand la personne a eu ces problèmes-là, elle est trop fragile. Parce que des fois, il y a la chaleur qui monte qui fait détruire la grossesse. Mhm. Et de là, on suit la personne pas à pas jusqu'à le jour de l'accouchement voilà. Est-ce que vous arrivez à consulter euh, combien de femmes par jour ou par bon, mois Ici à Niamey, on ne dit pas par jour. Mhm. Disons, moi, avant de venir à Bantour même, je suis un praticien, ça fait 40 ans maintenant. Et j'ai beaucoup d'expérience là-dedans. Mhm. Actuellement, j'ai une quarantaine de femmes que je suis. Mhm. Actuellement. Des jeunes filles ou des femmes mariées Les femmes mariées et les jeunes filles aussi. Quand ils ont fait tout, euh, la médecine conventionnelle, et ça n'a pas marché. C'est le temps-là qu'ils viennent envers nous pour voir est-ce qu'on peut les aider. Bon, les jeunes filles, et je leur donne des, médicaments. En même temps, on les conseille mhm. comment il faut entretenir, s'entretenir et en même temps, combien de temps qu'il faut pour les... Il ne faut pas mhm. rater. Parce que quand tu commences à se traiter, tu coupes, il faut reprendre. Là, Jablaï Sanda, nous allons donc euh, revenir euh, sur euh, la prise en charge donc, de ces infections vaginales. Iné Pierre, gynécologue obstétricien. Alors, à quel moment de la vie se développe la maladie chez une femme Merci. Waouh, ça, c'est une question à mille points. Pour tout vous dire, mhm. c'est comme notre invité qui fait la sensibilisation, en réalité, il n'y a pas de moment. Vous comprenez Qui que vous soyez, la jeune fille, les pertes blanches, l'infection va la déranger. Maintenant, si traité ou pas, les conséquences, c'est comme le tonton a dit, après, la conséquence, c'est quoi Tu t'es marié, tu veux bébé. Vous comprenez Vous voulez la grossesse. Donc vraiment, pour tout vous dire, il n'y a pas de moment. Mais on peut dire que la les principaux facteurs de risque qui font les contaminations, en général, ça commence à partir de la puberté. Vous Comprenez d'où vraiment j'adore le concept de l'autre ONG qui vont dans les établissements conseiller, conseiller dès le stade jeune fille. En général, si elles prennent ces mesures de prévention, ça continue jusqu'à durant toute leur vie future. Vous comprenez Donc, on ne dira pas exactement, mais ça peut toucher toutes les patientes. Mhm. Maintenant, en fonction du moment, et les conséquences qu'elle a eu à avoir, ça va se manifester sous d'autres signes. Et la petite fille euh, qui n'a pas atteint l'âge de puberté Là, c'est très rare. À moins que les parents, vous savez, à la maison, nos petites euh, filles là, euh, toujours assises sur le sol, les slips peuvent mhm. passer des journées ou bien le pays. On a même eu des cas de bébés hein, qu'on mhm. nous amène. Les mamans ne sont pas là, les couches. Une couche, c'est pas fait pour passer toute une journée. Hein. C'est fait, voilà. Mhm. Euh, même pas un temps triomphe. Mhm. S'il y a besoin dedans, il faut le changer. Il faut les changer. Les couches sont faites pour ça. Il y a certaines, c'est même l'acidité de l'urine dans les couches qui leur ont fait des, des, des démangeaisons, hein. ainsi de suite. Ça, c'est vraiment chez les nouveaux nés Mais chez les jeunes filles aussi, c'est très, très un peu rare chez les enfants plutôt. Vous comprenez ça pour tout vous dire. Mais il y a, fréquemment quelques cas qu'on arrive à avoir des mères qui amènent leurs enfants, surtout qu'elles constatent des écoulements. Au niveau sur les slips, ont taché les slips de, de, leurs enfants. Il y a certaines qui viennent Effectivement, quand on fait les examens, la majorité des cas, on, est en présence de leucorrhées pathologiques et on va traiter. Ces infections vaginales euh, sont-elles contagieuses Contagieuses, oui. Parce que si on rentre dans le cadre du groupe les IST, infections sexuellement transmissibles, ça on va venir après sur le mhm. grand groupe. Une mhm. co Une coépouse Anna, quand je rentre dans le cadre formel de notre société ici au Niger, je prends la société polygamie, polygamique plutôt, excusez-moi. Donc euh, le mari Anna, il prélève sur celle-là, il va aller demain mhm. chez l'autre, lui mettre après le surlendemain chez l'autre. Ça, c'est les voix ce sont les voies sexuelles classiques. Mhm. Maintenant, les autres voies chez les jeunes filles, c'est quoi C'est l'utilisation de l'hygiène locale. Une est venue faire ses besoins dans les toilettes. Il n'y a pas de l'eau qui est passée. Mhm. Autre, une autre vient des gouttelettes, la touche. Les parois des WC, la fameuse bouilloire là, que l'autre va manipuler, les têtes des robinets. Vous comprenez mhm. Moi, maintenant, quand Dieu merci avec l'avènement de l'épidémie de Covid, là, les gens ont appris à laver les mains. <laughs> Mais nous, c'est des médecine, on nous a appris ça. C'est vrai que les gens font des efforts, on fait des douches, mais il faut un petit lavabo à côté avec du savon. Avant de faire tes besoins, lave tes mains. Vous savez, nos mains, là, c'est des grands pourvoyeurs de germes. Hein. Mhm. Vous comprenez, c'est des grands pourvoyeurs parce que dans les infections spécifiques, ils contaminent. Une jeune fille qui a uriné, elle va mettre ses mains pour rincer et se lever. Les mains, ça touche, ça peut infecté. Donc un peu partout comme ça, c'est comme ça la chaîne de contamination que l'on peut avoir. Et est-ce que euh, les femmes fréquentent très tôt les centres sanitaires euh, Oui, surtout femmes mariées. <laughs> ça, je vous le dis, c'est surtout les femmes mariées qui fréquentent. Les jeunes filles là, je sais pas, peut-être c'est un sujet tabou, elles ont peur, des trucs comme ça. C'est quand les infections les dérangent, les dérange trop mhm. qu'elles viennent. Parfois, elles sont résignées à partir euh, au dernier stade. Ça gratte tellement, ça fait des choses. Les pertes là commencent à sentir très très mauvais et ça vient en quantité. Mais les femmes mariées, Dieu merci, elles, elles le savent. Au moins petit signe doute là, elles courent derrière nous dans les centres de santé pour afin d'avoir le traitement. mais est-ce qu'on euh. peut avoir des statistiques Ah, les statistiques c'est difficile. Hein Franchement, c'est difficile d'avoir des chiffres comme ça, parce que dans les études, mhm. <laughs> même au niveau du ministère, si vous prenez les sinistres, au niveau du sinistre, c'est difficile d'avoir les chiffres. aussi. il mhm. faut noter toutes les femmes qui viennent pour les infections, le courrier, franchement, c'est difficile. Mais mhm. tout ce que je peux vous dire, ça peut représenter 50% du travail peut-être d'un gynécologue obstétricien, et même dans les maternités, les sages-femmes. Hein. Si vous prenez 50%, ça peut prendre que les infections génitales. Hein. En dehors des autres problèmes, rien que des infections, les femmes vont vous venir à gogo pour ça. Abdoulaye Idani euh, Kadiatou, beaucoup de femmes fréquentent les tradis praticiens. Donc que ça soit à l'hôpital, que ça soit chez les tradis praticiens, l'essentiel pour nous est que les femmes puissent prendre conscience et traiter cette maladie avant que ça ne s'aggrave. Mm-hmm. Parce que, euh, disons que nous sommes dans un contexte africain, nigérien, nous savons que la médecine traditionnelle a toujours occupé une place de choix dans nos vies. Mm. Il y a des réalités, y et, des réalités que nous avons vécues. Donc, nous, essayons de sensibiliser, d'orienter ces filles et mm-hmm. ces femmes-là, de pouvoir, de ne pas négliger ce qu'elles vivent, de ne pas négliger quel qu'en soit le signe qu'elles ressentent, d'essayer d'aller vers les techniciens, vers euh, des personnes qualifiées dans ce sens-là. Si aujourd'hui, de bouche à oreille, une amie a vécu de l'infection, elle est partie voir tonton, tout s'est bien passé, elle m'en parle, ce qui veut dire que quand j'aurai un moindre doute, moindre signe, bien sûr que je vais chercher les références de tonton pour aller aussi me soigner. Mhm. L'important, c'est d'aller se soigner, que ce soit à l'hôpital ou chez les tradis praticiens mhm. réputés pour ça. Parce que tout à l'heure, le docteur était en train de dire que les jeunes filles sont réticentes mhm. et tout ça. C'est normal parce qu'il y a l'environnement aussi au mhm. niveau des centres de santé. Il y a l'accueil des agents de santé. Il y a les préjugés que les agents de santé font. C'est très facile quand tu viens, on te demande tu es marié ou célibataire. Quand tu dis tu es marié, le regard, c'est pas la même chose que quand tu vas dire tu es célibataire. Tout ça, ça compte au fait. Mais aujourd'hui, quand je me lève pour aller voir tonton pour lui expliquer mon problème, il y a de ces regards-là, c'est pas la même mhm, chose. Au fait, c'est pas la même chose. Le cadre, l'accueil, l'ambiance, c'est pas forcément la même chose. Nous sommes dedans, nous discutons beaucoup avec, et il y a plusieurs fois nous interpellons les autorités euh, sanitaires dans ce sens-là. Il y a problème dans les centres de santé. Les centres amis des jeunes qui sont faits pour ça mhm. ne sont pas fréquentés pourquoi Parce qu'il y a l'accueil, il y a les préjugés, même des agents de santé, mais aussi de la société. Une jeune fille, quand tu n'es pas mariée, on te voit aller de rentrer dans maternité ou quelque chose comme ça. Ou bien consulter un gynécologue. Consulter un gynécologue. Tout de suite, il y aura des questions, il y aura des visions que les gens vont se faire autour de toi. Mais nous essayons de dire aussi à ces filles, à ces femmes, ne laissez pas ces préjugés impacter votre santé, vous créez des problèmes. Mm-hmm. C'est vous qui savez ce que vous vivez, c'est une maladie allez-y le traiter. Ce que pense l'autre, c'est pas important quand on est en bonne santé. Mais quand tu dois vivre avec ce que pense l'autre et avec toi ta maladie, mais tu perds doublement en réalité. Donc, c'est, c'est vraiment dans cet aspect-là que nous, nous intervenons pour amener les gens à prendre conscience, à voir l'importance vraiment de s'occuper de soi, d'être regardant sur sa propre santé, mhm. parce que tout commence par là. que tu sois une femme, que tu sois une jeune fille, ta santé en tant que femme, primordial et très capital. Et c'est à toi de veiller sur ça. Pierre Iné, gynécologue, et certaines femmes en période de grossesse peuvent facilement attraper une infection vaginale. À quoi est dû cela Oui, très très bonne question. En période de grossesse, c'est normal. Vous savez, et le problème de la femme enceinte, c'est quoi C'est que la grossesse, en augmentant de volume, l'utérus en augmentant de mhm. taille, excusez-moi du terme, comprime un peu la vessie. Donc ça fait que régulièrement, il faut qu'elle rentre. C'est une femme qui ne peut pas garder les urines. Si euh, vous et nous, on peut rester 8 heures midi jusqu'à midi, 13 heures sans uriner dans un baptême ou autre. Ah, c'est tout le contraire d'une femme enceinte. Hein. Mm-hmm. Il faut qu'elle fréquente des centres. Ça, ça en fait plein de facteurs de contamination déjà. Plein de facteurs. Parce qu'elle va rentrer. Elle est au marché, il lui faut une douche, sinon elle va uriner d'elle-même. Elle est chez quelqu'un, il faut qu'elle rentre dans ses toilettes. Elle est à l'école, il faut qu'elle parte uriner. Des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment ça qui fait la plus grande. Mais sinon, pour l'idée de dire physiologiquement ou autre, non, bon, il n'y a pas tellement ces facteurs de risque-là. C'est mhm. que c'est vraiment des candidates sujettes à des infections fréquentes. Mais est-ce que l'infection peut aussi affecter la grossesse bien... Oui, exactement. C'est comme le tonton a eu à le dire. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le corps chaud, là, c'est la fièvre. Mhm. Une infection génitale basse, ce qu'on ne vous dit pas. C'est simple le coré, là, qui traîne en bas, vaginal ça peut remonter, hein, devenir général. On a mhm. vu des patients d'infection génitale basse, elles ont passé au stade de salpingite, jusqu'à pelvipéritonite et même péritonite. Ce ne sont que des développements, c'est-à-dire les gens migrent, c'est tout, le temps de rentrer dans le sang et puis après, mhm. ils vont aller et eh, infecter la patiente. Et de deux, quand ça va migrer au niveau du vagin, ça remonte au niveau du col pour entrer dans la cavité utérine. C'est là-bas que se trouve l'œuf. Donc, il peut avoir des infections du sac ovulaire. Et si par malheur aussi, le méa vaginal et le méa urinaire sont des voisins, les pertes blanches là, chez la femme enceinte, du fait qu'elle peut, elle a des pertes blanches, ils peuvent rentrer dans, au niveau de l'urètre, mhm. le méa urinaire, est remonter, lui entraîner des infections urinaires qui, elle, elles se généralisent pour monter et lui donner des infections générales qui peuvent elles aussi attaquer à travers le système général, aller attaquer la grossesse et <laughs> faire tomber entre griffes la grossesse. Si, en définitive, c'est le nom. C'est une des complications. c'est des, complications qui peuvent survenir. Nous entamons à présent la deuxième partie de ce forum consacré à la prise en charge des infections vaginales, suivant tout d'abord la réaction de quelques femmes que nous avons interrogées sur ce sujet. Et ça fait longtemps que je souffre d'une infection vaginale. Et aujourd'hui, j'ai voulu témoigner parce que c'est une maladie que nous, les femmes, négligeons beaucoup, mais très dangereuse. Car ça fait des années, elle me fait souffrir. Je traite un mois, voire deux, ça revient. J'ai consulté des gynécologues jusqu'à me fatiguer. Actuellement, je suis un traitement traditionnel, mais malheureusement, le traitement n'a pas bien marché. Tout ce qui me dérange, ce sont les démangeaisons périodiques. Les infections vaginales dérangent les femmes. Je suis le traitement, ça va, ça revient. On me disait de faire des toilettes intimes j'ai contracté l'infection quand j'ai eu ma première grossesse. Ça me donnait des démangeaisons et des pertes blanches de mauvaise odeur. Au début, j'ai subi un traitement dans un centre médical et j'ai recouvert ma santé. Au bout de quelques temps, j'étais confrontée au même problème. J'ai fait l'automédication, c'est-à-dire faire la toilette intime avec de l'eau tiède salée. Mais la maladie est revenue. Le médecin, cette fois-ci, me conseille de suivre le traitement avec mon mari et il était d'accord. Vous venez là donc de suivre la réaction de quelques femmes malades donc atteintes des infections vaginales. Elle Abdoulaye Sanda de Banitouri, euh, comment est-ce que vous réagissez face donc à ces réactions des femmes bon, certes, je vais répondre à celle qui vient de passer parce qu'elle a dit qu'elle a été chez un tradit praticien et à un moment ça n'a pas marché. Je vais dire deux fois c'est notre faute parce qu'on ne leur explique pas qu'est-ce qu'il faut mhm. dans les traitements. La femme, dès qu'elle vient, il faut inviter les deux couples. Tu leur dis les conditions de traitement et comment ça se passe et comment il faut suivre ça jusqu'à la fin. Parce que le traitement n'a pas euh, d'une date fixe. On dit il faut telle date pour que ça finisse. On collabore avec les médecins conventionnels. Dès qu'elle fait un mois de traitement, on leur dit d'aller faire les tests, voir si c'est fini ou ça reste. D'autres, on les exige d'aller voir un gynécolo. Elle suit les conseils du gynécolo. Et si ce n'est pas fini, elle revient, on continue le traitement. C'est comme ça qu'on fait. Mais il y a certains parmi nous qui ne sont pas instruits. Ils donnent seulement 100 doses sans rien. Et ce n'est pas bon comme ça. ça. Dès que la personne le produit n'a pas de dose. Ça peut provoquer une autre maladie. Mhm, Ou bien le traitement ne va pas marcher. Tant que les découpes ne sont pas traités, ça ne va jamais finir. Est-ce que euh, les couples euh, viennent euh, fréquemment chez vous Oui, tu sais, je vous ai dit dès le début, c'est quand c'est très grave qu'on les voit. Mm. Si c'est grave, les deux couples s'entendent parce qu'ils vont voir que tous sont malades. Même l'homme, ça rend l'homme, je m'excuse, ça le rend faible. Il ne peut pas satisfaire sa femme mm-hmm. quand il veut. Des fois, quand il agit, il se décourage. C'est la maladie qui fait ça. Mm. Il se sent trop fatigué l'homme. Et la femme, elle, c'est quand la période de ses règles sont arrivées, elle, voit, elle a les problèmes de bas-ventre, mhm. de dos, les pieds, elle a fait mal. À la longue, elle va même devenir avoir des problèmes de les nerfs sciatiques. Mhm. Donc, tu vois, selon moi, mon expérience que j'ai eue là-dessus. Mhm. Donc, tant que les deux ne sont pas traités, ça ne va jamais marcher. Kadiatou, présidente de l'Association des jeunes filles pour la santé de la reproduction. Oui, après euh, leur témoignage, ça ne fait que euh, continuer à nous interpeller sur ce qu'on a eu à dire. C'est une réalité que les femmes vivent. Mais il ne faudrait pas qu'elles puissent se décourager. À un moment aussi, il faut euh, se demander pourquoi ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je faisais C'est comme tonton a eu à le dire. Il faudrait aussi l'engagement de soi, ton comportement à la maison. C'est ça qui va conditionner l'efficacité du... Le gynécologue peut te conseiller. Les tradis praticiens peuvent te donner des remèdes, des médicaments, un traitement à suivre. Mais souvent par négligence, tant que tu ne respectes pas strictement ce qui t'a été conseillé, ça va être difficile. Même quand ça se calme un moment, ça va revenir après. Et ça, quelle que soit la maladie, ce n'est pas seulement Exactement, quelle qu'en soit la maladie. Et là, on parle des infections vaginales qui est très, très, très sensible. Mm. L'hygiène corporelle, j'insiste toujours sur ça. Mm. C'est une question d'hygiène, que ça soit dans les toilettes, l'hygiène corporelle, tout ce qui va avec, c'est une question d'hygiène. Mm. Il faudrait que la femme puisse s'assurer de, euh, de son hygiène corporelle, de son hygiène intime, dans le foyer, les deux. Parce que toi, tu peux te protéger. Quand ton mari ne s'assure pas de son hygiène, tout toujours, c'est tu n'es en train de rien faire au mm-hmm. fait parce que tu es exposé. Tu es exposé comme quand tu ne fais rien. Iné Pierre, gynécologue obstétricien, comment réagissez-vous euh, face aux témoignages de ces femmes Merci bien, parce que tous les témoignages, en réalité, c'est même chez nous qu'ils indexent. Mais si vous remarquez, les mm-hmm. trois ont tous dit, après le traitement, que ce soit langue, ça c'est fini. Mm. Et après, c'est revenu. Vous comprenez mm. Le traitement marche très bien. Le fait que c'est revenu là, c'est comme le tonton l'a dit, peut-être il n'y a pas eu le couple. Et la dernière même, elle a évoqué qu'elle et son mari suivent le traitement. Mhm. Vous, si vous utilisez, ça va cesser. Mais après, si les mesures ne sont pas respectées, ça va revenir. Une infection, tu finis, même si c'est une semaine de répit. Vous comprenez, vous avez une infection, une semaine de répit, tu n'as pas vu perte blanche et autres. L'ancienne est finie. Hein. Maintenant, si tu as revu ça encore, c'est une nouvelle contamination. C'est pas l'autre qui s'est couché et maintenant c'est revenu. Les autres infections hautes là, on va les voir mhm. peut-être après. Ça rentre dans le cas des IST. elles ont des manifestations à part. Et malheureusement, il y a beaucoup d'IST là que eux, ils n'ont même pas beaucoup de signes cliniques comme ça palpants. Vous comprenez Par exemple, quand on prend la gonocoxie, la syphilis, les infections sexuellement transspécifiques, là, mhm. elles, ont d'autres signes à part que les pertes blanches là classiques qui dérangent ou qui grattent. Mais les infections les plus courantes, elles, en moins d'une semaine, elles font le traitement, ça va finir. Mais c'est la chaîne de contamination et c'est comme l'autre a dit, il y a une hygiène corporelle à maintenir. On ne dit pas qu'on vit dans une bulle qui est très très eh, infectée, mais on nécessite des petites mesures d'hygiène constantes qu'il faut maintenir et garder. Voilà. Et comment se fait donc le traitement Pour ce qui est du traitement, sur le plan médical, qu'est-ce qu'on fait La femme vient, elle a le corée, elle a son prurite, ça la gratte. On examine, on regarde, il y a effectivement les pertes. On nous a tous appris des eh, choses à l'école en fonction de la couleur des pertes. Mhm. Vous comprenez l'aspect, les cahiers, c'est candidose verdâtre. Si vous avez affaire au chlamydier ou au trichomonas, vous comprenez aspect jaunâtre également. Si c'est du pu, pu marron plutôt le chlamydier. Ainsi de suite, en fonction des aspects des pertes, déjà cliniquement, on a une orientation. Voilà. Et puis, vous savez, bon, le Niger, du fait un peu de la faible couverture sanitaire et de nos moyens financiers, mhm. Normalement, ce qui doit se faire dans les livres, qu'est-ce qui se passe On doit faire un PV, c'est un examen qu'on appelle prélèvement vaginal. PV. Qu'est-ce qui se passe C'est tout le monde, hein, que ce soit jeune fille ou femme. Cet examen n'a aucun problème. C'est quoi Le matin, avant qu'elle fasse sa toilette, elle part dans un laboratoire. Le laboratoire muni d'un euh, écouvillon la même chose là que je dis, que l'on prend Corona maintenant. C'est maintenant mhm. que les écouviens, là, les gens ont commencé à le voir. C'est une sorte de long coton-tige là. Entre les grains de lèvres là, il y a les pertes, parce que la nuit, c'est sorti beaucoup. Mhm. Et on prélève un peu de ces pertes là. Ça suffit largement. On met dans un euh, tube à essai et puis on part examiner au laboratoire. Donc les pertes, on va les examiner. On va te dire c'est quel type de germe, vous comprenez Et on t'envoie. Nous, en fonction de ça, on adapte le traitement. Normalement, c'est ce qui doit se faire. Mhm. Mais vous savez, compte tenu de nos cultures et de la pauvreté des gens, parfois directement, nous, on passe, on utilise beaucoup de cliniques. En fonction de l'aspect, on donne des médicaments directement. Les médicaments, c'est un composé de quoi Savon pour faire la toilette, ovule vaginal pour mettre à l'intérieur, crème pour appliquer au niveau du périnée, mhm. c'est-à-dire la région des grandes lèvres et autres, et parfois certains antibiotiques même pour avaler par voie orale. Et maintenant, on associe troisièmement des mesures d'hygiène les mesures d'hygiène, vous comprenez. Et si maintenant c'est un couple, voire les coépouses aussi, on fait un traitement des partenaires également. La prestation, le coût donc euh, des euh, prestations, c'est cher ou bien le coût, la portée du euh, la portée de tout le monde, hein, à part les frais de la consultation. Sinon, le traitement, je dirais, à part un petit 5 000 francs, moins de 5 000 mm. même, il y a des médicaments. Aujourd'hui, il y a des ovules, des crèmes, des antibiotiques. Même si tu n'es pas riche, on peut te faire un composé de générique qui ne va pas coûter très cher. Les ovules, peut-être, c'est elles seules qui coûtent un peu cher, mais il y en a pour 2 000 ou un peu moins de 2 000. Hein. Mais bon, comme on le dit, la santé n'a pas de prix. Mieux vaut essayer sur le plan des médicales. Avec un peu moins de 5 000 ou plus, on peut avoir en général tous les traitements. Oui, docteur, la médecine traditionnelle est-elle efficace donc, euh, contre les infections vaginales Franchement, moi, j'ai jamais fait ce jeu-là, mhm. c'est-à-dire envoyer une patiente là-bas en cas de choses, franchement. Mais à chacun sa discipline. Mais dans un pays, ici au Niger, du fait de notre, faible couverture sanitaire et comme votre collègue a dit, notre tradition, nos tradis praticiens ont toujours leur place. Mhm. Toujours, toujours, toujours. Et moi, parfois, j'adore même certaines méthodes préventives qui découlent du tradit praticien, des conseils de leur grand-mère qui les ont donnés. Vous comprenez mhm. que eux-mêmes, les tradits praticiens, ça, ils continuent de perpétuer. Hein. Les petits conseils de grand mères là, ça continue, ça continue. Et eh, ça marche. Tu n'as pas besoin d'aller aujourd'hui dans une pharmacie pour acheter des produits d'hygiène et tout et tout. Il va tous vous inviter. Il y en a plein des recettes naturelles pour y remédier à tout ça. Et euh, certaines femmes euh, font aussi euh, l'automédication. Alors, quelles conséquences cela peut avoir sur l'organe génital de la femme Exactement. L'automédication, le principal problème, c'est essentiellement que le germe ne marche pas par rapport à l'antibiotique. Et actuellement, on a aussi certains cas c'est-à-dire, c'est quoi La femme, tu viens, tu l'examines, tu veux écrire un produit, tu commences, je n'aime pas indexer des molécules. Tu dis la première phrase, elle te dit, ah, un tel, je l'ai utilisé. Tu réfléchis à un deuxième. Mhm. Ah, un tel, lui aussi, je l'ai utilisé. Boîte verte, non, ainsi de suite, je l'ai mhm. utilisé, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est toujours là. Peut-être dès que vous allez venir examiner euh, la situation, elle n'a fait qu'elle seule. Le couple, zéro. Vous comprenez mm. Elle n'a pas joué un traitement du partenaire. Ça, ça ne va jamais finir. Il suffit juste de l'examen. n'est pas parce que le médicament n'agit pas, mais il n'a pas été. Tout comme il y a certaines, par exemple, quand ils ont tout utilisé, là, on est obligé de demander ce PV-là. Bon, Intel, du fait que ça n'a pas fini là, vas-y me faire cet examen-là. Mm-hmm. Le PV, on va voir c'est quel genre de germe là tu as qui ne résiste pas à tous ces antibiotiques-là. Docteur, on dit souvent que l'infection vaginale se traite à deux, c'est-à-dire la femme malade et son conjoint, ou bien si elle a deux des co-épouses, tout le monde doit suivre le traitement. Est-ce vrai Moi, je récapitule même pas souvent, toujours. <laughs> si le mieux, c'est même toujours le mot là que je voudrais mhm. appliquer. Parce que si on n'arrête pas cette chaîne de contamination intrafamiliale, c'est zéro. Vous comprenez C'est zéro, c'est zéro. Parce que histoire de co-épouse là, histoire de vie de couple. Mhm. pourquoi tout à l'heure, quand vous m'avez demandé, les femmes mariées font plus d'infections que les jeunes filles. Parce que l'organe est en train de travailler dans une vie de mhm. couple normale. Donc là-bas, les contaminations, c'est comme je vous dis, pour les hommes, mhm. là-bas, il y a plein d'hommes, et la majorité des hommes ici à Niamey, tu passes ta journée dehors. Ou bien, dehors, euh, en train de chercher. Le temps de faire vos besoins toute la journée, la soirée, le soir, tu atterris à la fada, là-bas aussi, c'est chez quelqu'un les toilettes. Tu viens le soir, peut-être sans même te laver ou bien sans changer le même caleçon que tu as passé la journée avec, tu t'es contaminé pas en allant tricher, hmm. je reprends, pas <laughs> tricherie. Non, j'ai pas parlé du cas de tricherie là-bas, hmm. non, avec d'autres filles dehors. Non, non, non, du tout. Mais le fait de rentrer dans les douches sans laver les mains, infecter là-bas et prendre les germes de quelqu'un, comme la femme se contamine. Donc vous voyez, même l'homme en général, c'est-à-dire pour faire une bonne vie de couple, même l'homme doit aussi avoir un petit désinfectant à côté, ou bien se laver avec n'importe quel savon et là-bas. Vous changez d'habit et puis le soir, vous faites votre vie conjugale, c'est tout. Mais vraiment, on peut essayer de, en traitant vraiment le couple. Ça, vraiment, j'exige toujours, toujours, toujours. Il faut essayer de. Est-ce que les couples viennent euh, fréquemment chez vous Ah, toujours. Hein. Mmh. Toujours. Il y a certains, nous, on est même catégorique, hein, mmh. certains gynéco. Mmh. Pour mettre fin à ça, il y a certains, on prescrit les médicaments ou bien on dit à la patiente appelle ton mari. Franchement, il y a certaines femmes, exactement. On l'explique. Et Partant de là, on peut lui demander certaines allergies ou bien certaines choses à certaines molécules. Vous comprenez Et nous, surtout, c'est même plus la prescription du mari. Il y a certains, on exige, ou bien il y a d'autres, carrément, on fait les deux ordonnances. Pour toi, elle est là, pour ton mari, elle est là. Donc, à vous d'amener. Vous savez, les hommes nigériens, il y a certains aussi, c'est pour ça que je vous ai dit, on dit de les faire venir pour leur expliquer. Un tel, voilà, ta femme a une infection, c'est pour ça que je t'ai prescrit ça. Parce que les gens vont voir un peu gauche, je te une ordonnance, tiens, vas-y, prends. Et celles qui ont des, des, des, co elles aussi. Mais en général, attention, si la graine vient, nous, on ne prescrit pas à la petite, sans sa présence. Mhm. Parce que vous savez, la polygamie ici au Niger, euh, quelque chose peut arriver à la, ta coépouse et on va dire que c'est avec le médecin tu es parti faire bouche commune ou quoi là. Non. Mhm. vous comprenez, non Nous, on explique, le mari, cette branche-là, on la traite. Maintenant, si c'est un mari fidèle qui a confiance au gynéco, tu lui dis maintenant de faire amener l'autre patiente. Vous comprenez Vous les expliquez et vous lui prescrivez son chose. Toujours les ordonnances, c'est comme ça. Parce que, attention, je vous dis, il ne faut pas que quelque chose arrive. Et ici au Niger, il n'y a jamais eu de corpus qui s'entendent. Hein. <laughs> voilà. La troisième et dernière partie euh, du forum porte sur les mesures préventives des infections vaginales. L'âge Abdullah et Sanda excitent les moyens pour euh, prévenir les infections vaginales. Il y a deux moyens pour la prévention. D'abord, il faut être sûr que la personne n'est pas infectée. Si tu es sûr que la personne n'est pas infectée, tu vas le dire. Il y a plusieurs mhm. que nous, on oriente la personne vers là-bas. Quand il prend ça et il respecte la dose et les 21 jours de traitement, ça c'est 21 jours de, prévention. Mhm. Tu prends ça jusqu'à 21 jours. Et là, si plus à Dieu, tu ne peux pas être infecté mhm. facilement. Docteur euh, Iné Pierre Mourad, gynécologue obstétricien, existe des moyens pour euh, prévenir les infections vaginales Voilà, les moyens pour prévenir, là également, c'est un long chapitre. Quand on prend deux aspects, jeune fille, couple marié, mm-hmm. si je reviens à la jeune fille, l'ONG est là pour assurer l'hygiène des toilettes, l'hygiène des mains, vous comprenez, et l'hygiène des dessous, les slips et autres. Chez les jeunes filles, ces hygiènes-là, il faut vraiment y remédier à cela. Moi, je pars jusqu'à dire aux jeunes filles, si possible, déjà qu'elles achètent chaque fois la slip par douzaine. Si mhm. elles peuvent faire une loi de un slip un jour. Vous comprenez mhm. Avant les 12, ça fait 12 jours et elle a le temps de reprendre. Il faut toujours diminuer cette chaîne de contamination. Mhm. Je ne sais pas, hein, il y a certaines, vous savez, avec la pauvreté, c'est difficile d'affirmer. Mais même si c'est le soir, tu laves tu sèches et puis vous reprenez. Donc ça, c'est vraiment cette hygiène-là. Mhm. Surtout les toilettes, leur hygiène. Vous comprenez Maintenant, dans un couple marié aussi, c'est l'hygiène locale. Vous savez, c'est comme on a dit pour la femme enceinte, tu ne peux pas euh, dire que tu ne sors pas de chez toi, ou bien tu ne peux pas dire que quand tu es dehors, tu as envie d'uriner, c'est dans ta douche, tu vas venir. Mhm. Tout ça, là, c'est difficile de les appliquer. Tu vas toujours entrer dans des toilettes. Mais même si vous avez à utiliser des toilettes extérieures, une fois à la maison, si vous avez de quoi faire un produit d'hygiène intime, il y en a plein sur le marché. Vous pouvez les acheter, faire une petite toilette juste en rentrant. Comme ça, le slip avec lequel vous avez passé la journée, s'il le faut, lui, vous le changez pour le laver et vous remettez, après avoir désinfecté votre vulve, vous remettez le deuxième avec qui vous allez passer le reste de la soirée avec. Et les hommes également les hommes également. De toute façon, en prenant l'hygiène, là, on considère l'hygiène, c'est pas grand chose. Hein. La toilette, quand tu te laves, c'est-à-dire le savon passe partout, jusque sur les organes génitaux. Donc l'homme aussi, il a passé toute sa journée à utiliser les choses, il vient, il se lave. Ça, vous avez fini avec votre histoire d'hygiène, vous deux. Mhm. Vous comprenez Maintenant, ça, c'est vraiment par rapport à l'hygiène. L'hygiène, là-bas, par rapport à l'hygiène. Maintenant, le deuxième aspect, mesures préventives. Je vais en venir. Mhm. Peut-être que vous n'avez pas réservé les questions mhm. par rapport à vos histoires de KM là. Oui, vous pouvez un peu évoquer, ça, parce qu'il y a déjà une de mes collègues qui a un forum aussi là-dessus. Ok. <laughs> par rapport à mhm. vos histoires de KM, qu'est-ce que j'entends KM KM matin. Les vous comprenez? produits aphrodisiaques. Très bien, vos produits aphrodisiaques. On avait dit en introduction que le vagin est muni d'une flore de Doderlein, des bacilles qui vivent là-bas qui sont censés maintenir le milieu acide. Or, quand vous prenez dans vos KM là, je vous jure actuellement c'est du n'importe quoi. Quoi, cristaux de menthe, tom-tom, carreaux de sucre, glaçons. Euh, on dirait qu'il y a une langue là-bas. Je prends rien que l'exemple du carreau de sucre. C'est des nutriments. Vous l'avez mis, ça va transformer l'acidité locale en milieu basique. Et de surcroît, Dès que vous finissiez même les rapports ce que vous allez partir nettoyer, peut-être ça a tué même la majorité de votre flore de l'Oderland. Quand vous prenez certains autres produits corrosifs, d'ailleurs le cristaux de menthe et autres là, qui sont très corrosifs là, ils vont aller vous détruire votre flore vaginale. Actuellement, il y a un autre aspect que les femmes oublient. Il y a des vaginites qui sont dues à des allergies locales. En réalité, ce n'est pas des infections. Hein. Le fait que ça gratte là, elle est partie mettre quelque chose qui a développé l'allergie locale, ça lui fait gratter des jours. Des jours, des jours, elle a entendu une dame euh, vendre certaines choses, elle prend, elle met là-dedans. Là-bas, il n'y a pas de langue, il n'y a pas de goût. Vous comprenez Restez naturel comme <laughs> vous êtes. Docteur, euh, Vraiment... <laughs> la douche vaginale est-elle recommandée Oui, c'est recommandé. La toilette vaginale, sur le plan traditionnel, on va vous en parler. Il y en a plein de produits, surtout chez une femme mariée. Mhm. Il n'y a pas du tout de problème à ça deuxièmement aussi, il y a des produits. Sauf qu'on ne veut pas mettre n'importe quel, vous comprenez, produit, parce qu'il faut respecter les produits qui ont des pH eh, acides afin qu'ils ne détruisent pas votre flore. Voilà, les savons. Il y en a plein vendus en pharmacie. Vous comprenez Je n'aime pas indexer des molécules, mais mm-hmm. on en a plein vendus en pharmacie. Et Dieu merci, c'est des flacons qui peuvent durer des mois. Hein. Il y a certains, ça peut faire un an avec la personne, notamment le clivant, hygiène intime, sa forelle l'active, ainsi de suite. Il y en a plein pour l'hygiène intime. Mais bon, même si on parle d'hygiène intime aussi, c'est pas l'idée de dire chaque soir, chaque soir, chaque soir, il faut aller faire des toilettes répétitives chaque soir, chaque soir. Non, en général, euh, après les rapports sexuels, vous comprenez mm. Après les rapports sexuels, ça va encore. Ou bien quand vous êtes euh, parti en ville le jour là et que vous suspectez, vous êtes rentré dans une douche là mm-hmm. dont l'hygiène n'est pas tellement ça, vous pouvez faire ça le soir. Mhm. Mais une chose est sûre, pendant les règles-là, là également, chaque soir, vous allez vous fermer. Cette hygiène-là, cette euh, phobie de hygiène intime-là, il ne faut pas que ça soit aussi chaque soir, chaque soir, chaque soir. Vous comprenez Parce qu'il y a des jours où, quand vous dites un jour, tu peux être là chez toi le samedi, tu n'as pas quitté de chez toi. Et Dieu merci, même le samedi nuit, rien ne s'est passé avec Megida, mhm. <laughs> Jusqu'au dimanche soir. Et tu n'es pas sorti de chez toi c'est ta toilette. Est-ce que le jour-là, tu en as besoin entre griffes Jusqu'au lundi même, ainsi de suite. Vous comprenez Ça, tu es resté carrément. Des fois, ce sont les odeurs vaginales là qui dérangent vraiment les femmes. C'est pour cela qu'à chaque fois, elles font leur mmh. toilette. Oui, je vois. Euh, ainsi de suite. Les odeurs, c'est déjà la marque de début mmh. des infections. Vous comprenez C'est déjà là la marque de début des infections. Vous comprenez, non C'est déjà là, il faut faire très très attention lorsque les deux odeurs commencent. Mhm. Merci. Et Sanda, Banitouri. Je vais vous parler de l'hygiène d'abord, De mhm. femme, pas homme. Femme a deux, je m'excuse, hein, mhm. côtés. Quand elle fait ses besoins, elle met l'eau, elle lave. Il ne faut jamais commencer par l'anus. Quand elle commence par l'anus, elle va prendre certains germes pour mettre dans son vagin. Là, chaque fois, elle serait infectée c'est des fleurs différentes. Mhm. Elle doit commencer par le côté urine pour finir par le côté besoin. C'est ça qu'il faut pour une femme. Mhm. Et du côté de l'hygiène toilette, moi j'oriente les femmes à, l'homme. ici, on l'appelle la lame. La lame, c'est un produit qui désinfecte trop. Et j'ai eu beaucoup d'expérience parce que moi, je n'ai pas voulu rentrer dans la, domaine du docteur. Et j'étais aussi instruit sur ce côté-là, que j'ai fait la, le, Ce que je suis en train de faire là, je l'ai étudié en coranique. Je l'ai fait au Soudan et Égypte. Donc, euh, je connais un peu les techniques. Une fois que la femme met à l'homme dans un 5 grammes pour un litre d'eau tiède, elle laisse jusqu'à ce que ça se fond elle peut faire sa toilette intime. Ça va la rendre une femme toujours jeune mhm. et ça va la désinfecter pour toujours. Elle fait ça deux fois, matin quand elle se réveille et la nuit quand elle va se. Il ne faut pas qu'elle abuse. Si elle abuse, elle risque d'avoir des froissements. Ah, Abdoulaye euh, Idani Kadiatou, euh, comment donc lutter efficacement contre les infections vaginales À travers l'information. Parce que souvent, les femmes, c'est parce qu'elles ignorent. Quand tu es informé de quelque chose, tu peux mieux te protéger contre cette chose-là. Mais quand tu ignores, tu ne sais pas, déjà tu ne connais pas les causes, tu ignores les conséquences. Naturellement, tu vas négliger mm-hmm. beaucoup de choses. Mais quand tu sais que l'infection là peut te conduire à la stérilité, il mm-hmm. n'y a aucune femme qui voudrait être face à ce problème-là. Mm-hmm. Donc, c'est pour leur montrer un peu la gravité de la situation, c'est que l'infection peut leur amener à faire. Mhm. Mais il faut, voilà ce qu'il faut faire pour éviter. Quand on l'a dit, docteur a eu aussi à le dire. C'est vraiment euh, dans nos sensibilisations, nous insistons sur l'hygiène. Il y a tellement, nous collaborons, il y a, il y a des étudiantes en médecine, il y a des médecins parmi nous, des anciens cadres. C'est la sensibilisation, l'information, il faudrait informer les femmes. Nous sommes au terme du forum sur les infections vaginales, quelles prises en charge et mesures préventives. Les infections vaginales constituent aujourd'hui un problème de santé auquel font face les femmes. L'hygiène corporelle permet d'éviter ces maladies et en cas de l'apparition des premiers signes de la maladie, consultez immédiatement les centres médicaux. Nous étions en compagnie de Iné Pierre Mourad, gynécologue obstétricien, Elhaj Abdoulaye Sanda Banitouri et Abdoulaye Idani Kadietou, présidente de l'Association des femmes pour la santé de la reproduction. À la présentation, c'est Fatih Zakari, la technique Chombiano Abdulkader.